Bonjour et bienvenue à Sainte Doctrine où nous examinons brièvement différents aspects de la foi chrétienne. Je suis Sean Pasley et aujourd'hui nous allons discuter de qui est Jésus-Christ et pourquoi il est important. Si ce n'est pas déjà évident, Jésus-Christ est la figure centrale du christianisme. J'ai mentionné dans le dernier podcast que les critiques des premiers disciples de Jésus nous ont donné le nom de chrétiens lorsqu'ils ont accusé euh, ceux qui suivaient Jésus d'être des petits Christ. Jésus n'est pas seulement la figure centrale du christianisme en ce qu'il donne un euh, exemple à suivre, mais il est aussi la figure centrale du culte il y a trois aspects de Jésus que nous devons connaître pour avoir une large compréhension de, qui il est. Jésus est le Messie, le, consacré comme on le traduit de l'hébreu. Il est un homme, pleinement un homme, tout, tout comme nous. Et Jésus est Dieu, le seul vrai Dieu, totalement différent de nous et parfait en tout point. Commençons par le premier point. Jésus est le Messie. Il celui qui a été promis à l'humanité, qui vaincra la mort et qui sauvera l'humanité de ses péchés. Des Genèse, 3, euh, ce que les théologiens appellent le proto evangelium le premier évangile, immédiatement après la chute de l'humanité, Dieu a promis que la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus euh, pour la première fois, il a dit ⁇ Voici celui dont je suis en digne de délier les sandales, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. ⁇ Jésus est la réalisation de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament, non seulement dans son apparence, mais aussi dans ses actions spécifiques. Jésus, le Messie ou en grec le Christ, est celui qui a été choisi et envoyé par Dieu le Père pour accomplir ses promesses, prendre sur lui le péché de l'humanité et mourir sur la croix afin que si nous nous euh, détournons de, de notre péché et croyons en lui, nous puissions être sauvés. Deuxièmement, ce Jésus qui est l'élu de Dieu est aussi complètement humain. Les histoires de l'enfance de Matthieu et de Luc nous racontent exactement comment cela s'est passé. Mais Jésus est né d'une vierge, Marie, euh, son, père terrestre, dans une famille terrestre dans laquelle il a été élevé comme un enfant, a vécu, mangé et travaillé comme tout le monde jusqu'à ce qu'il commence son ministère, où il a également écrit euh, qu'il a vécu, mangé et travaillé comme tout le monde jusqu'à ce qu'il euh, soit crucifié et meure d'une mort bien réelle. Trois jours après sa mort, son corps humain a été ressuscité et il a vécu à nouveau sur la terre pendant 40 jours jusqu'à son ascension au ciel. Il était euh, euh, et, toujours complètement humain, mais les miracles qu'il a accomplis, la, réalisation des prophéties et sa résurrection n'ont eu lieu que parce qu'il est aussi Dieu. 100%, sans équivoque. Dieu dans la chair humaine, Jésus est Dieu le Fils, et tu autant Dieu que le Père et le Saint-Esprit, non pas dans le sens où euh, il serait devenu un Dieu après sa vie sur, sur, sur terre, euh, comme certains euh, le disent, mais qu'il a toujours été et sera toujours Dieu. Tout le Nouveau Testament atteste de ce fait, y, y compris les déclarations de, de Jésus lui-même n'ayez pas l'impression que les paroles enregistrées de Jésus sont plus la parole euh, de Dieu que le reste des Écritures, mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, Jésus a en fait affirmé lui-même être Dieu. Avant qu'Abraham soit je suis, Jésus, euh, Jésus a dit en Jean euh, chapitre 8, et aussi moi et le Père sommes un dans Jean euh, chapitre 10. Les chrétiens ne se contentent pas d'imiter le comportement de Jésus et de le respecter comme un bon enseignant. Nous adorons Jésus parce qu'il est Dieu. Nous vénérons Jésus parce que, comme le disent les premiers versets de l'évangile de Jean, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. L'un des plus anciens credos chrétiens ou définitions que tout le christianisme orthodoxe s'accorde à, considérer comme un, résumé approprié des vérités bibliques est le symbole de Chalcédoine. Dans le symbole de Chalcédoine, l'Église primitive confesse que Jésus le Messie est pleinement Dieu et pleinement homme. Entièrement homme dans, ses capacités et ses incapacités, euh, dans sa compréhension de notre fragilité en tant qu'être euh, tangible, et entièrement Dieu, le Créateur de tout et de tous. Cette doctrine s'appelle l'union hypostatique et, elle est inséparable du, dogme chrétien. Alors la, compréhension de ces trois aspects de Jésus que nous avons examinés aujourd'hui est nécessaire pour saluer en Jésus. Si Jésus n'était pas le Messie, les promesses de la Bible ne se seraient pas réalisées. Si Jésus n'était qu'un homme, L'adorer est de l'idolâtrie. Et si Jésus n'est pas Dieu, alors le, le, ne vous sauvera pas. Et comme la célèbre citation de C.S. Lewis, il est soit un menteur, soit un fou, ou soit seigneur. Eh bien, c'est tout pour le moment, mais peut-être n'avez-vous pas été convaincu ou peut-être vous sentez-vous moins informé que vous ne le souhaiteriez. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un bref survol de ce sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez les ressources indiquées dans la description ou contactez-moi à l'adresse scendoctrine-gmail.com pour poursuivre la discussion. À la prochaine!